Chers euh, auditeurs euh, et téléspectateurs des programmes du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse euh, de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse sur les faits saillants et en marqué l'actualité de la semaine qui s'achève. Et au menu de ce numéro du forum de la presse de ce soir, nous parlerons d'abord de cette hausse le dimanche 15 janvier 2023 des tarifs des compagnies de téléphonie mobile au Niger, suivi du retour progressif aux anciennes tarifications à partir du mardi 17 janvier 2023. Ensuite, nous nous intéresserons au préavis de grève de 48 heures de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, qui projette d'observer sur toute l'étendue du territoire national du 25 au 26 janvier janvier prochain un arrêt de travail faute d'un accord avec le gouvernement sur ses principales revendications. Enfin, nous terminerons avec euh, du sport et ce sera pour parler de la participation du Niger à la septième édition du championnat d'Afrique des Nations Chan Algérie 2023 qui a débuté le vendredi 13 janvier dernier en Algérie. Pour euh, analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères Maïmoune Gado, journaliste indépendante, Gary Amadou, journaliste aux journaux La Nation et Mouria, et Ousmane Sidoukou, journaliste indépendant également. À la modération du Forum de la presse de ce soir, je suis Michel Dij. Débutons le forum de la presse euh, de ce soir avec euh, cette euh, hausse le dimanche 15 janvier 2023 des tarifs des compagnies de téléphonie mobile au Niger, suivi du retour progressif aux anciennes tarifications à partir du mardi 17 janvier 2023. Les consommateurs nigériens étaient de ce fait vent debout contre la mesure. Certains sont allés jusqu'au boycott euh, des services euh, de ces compagnies de téléphonie mobile euh, au Niger, ce qui les a amenés à revoir les tarifs de ces offres après une rencontre avec l'autorité en charge de la régulation du secteur. Ces opérateurs de téléphonie mobile avaient envoyé à leurs clients des messages quelques jours auparavant pour expliquer que cette révision de tarifs fait suite à la décision numéro 15 bar ARCEP bar CNRCEP bar DG bar 22 du 31 août 2022 fixant les conditions et modalités applicables aux offres de détail des opérateurs de téléphonie au Niger qui fixent les tarifs planchers sur les appels SMS et Internet. Une décision qui ne doit pas servir d'alibi, estime l'ARCEP lors de cette rencontre au cours de laquelle les responsables de ces compagnies de téléphonie ont déclaré avoir reconnu leur incompréhension de la décision et avaient promis de ce fait de revoir leurs tarifs euh, à la baisse dans les meilleurs euh, délais. Maimoun Diado, que c'est on davantage par rapport euh, aux motivations ayant conduit à cette hausse des tarifs par rapport aux offres de ces différents opérateurs de téléphonie mobile au Niger Merci Michel. Par rapport à la hausse donc que nous avons constatée le 15 janvier dernier, ce qui est sûr, c'est que s'il n'y avait pas eu cette forte mobilisation, en tout cas des consommateurs que nous sommes, ça allait passer sans, sans, sans, sans, sans qu'on ne puisse faire autre chose, parce que nous avons, nous savons qu'au Niger, il y a beaucoup de choses, à part même les téléphonies mobiles, où quand ça augmente de 25 francs, on nous fait croire que c'est, c'est, par exemple, euh, on n'arrive pas à avoir euh, euh, on, on nous fait croire en fait que c'est l'indisponibilité, mm. la non-disponibilité de cet article qui fait que ça a augmenté. Mais quand on regarde, on voit que même quand il y a la disponibilité, le prix ne change pas. Mm. Donc maintenant, l'un dans l'autre, Arcep a, fait, euh, en tout cas Arcep que je salue au passage, mm. a, bien fait de euh, ramener ces opérateurs de téléphonie mobile sur la table pour pouvoir leur dire la vérité mm. et que vraiment c'est pas le moment. Mm. il y a également euh, une loi qui régit en quelque sorte l'augmentation. Donc il faut s'y confirmer et se conformer et ils se sont conformés. C'est déjà bon. Mais maintenant, c'est de revoir aussi la qualité du réseau. C'est ça le gros problème. On peut ne pas augmenter, mais <laughs> même si on ramène les mêmes forfaits que nous, nous faisons tous les jours, mm. les mêmes prix et autres, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avec la mauvaise qualité de ces réseaux, ça veut dire que jusque-là, on n'est pas à l'abri. Mm. On n'est pas à l'abri. Oh, c'est des opérateurs, hein, ils cherchent l'argent. Donc, ça veut dire que tous les moyens sont possibles aussi pour soutirer de l'argent aux autres consommateurs que nous sommes. Mhm. Donc voilà, donc euh, moi ce que je peux augmenter par rapport à ça. Ça veut dire qu'il y a lieu de mieux faire, c'est ça Il y a lieu de mieux faire mhm. parce qu'on a toujours décrié, c'est la qualité du réseau. Quand tu mhm. mets tes propres crédits, tu, as besoin par exemple de consulter, de faire, euh, de travailler sur euh, ton téléphone portable, tu n'as pas en tout cas la qualité du réseau fiable pour pouvoir euh, faire tes recherches. Quand tu appelles, par exemple, c'est tu entends de l'air, tu entends, on te dit non, bon, bon tu n'arrives même pas à entendre celui qui est de l'autre, euh, l'autre bout du fil. Donc, ça veut dire que véritablement, il faut arranger, il faut amener ces opérateurs à regarder dans le sens de la qualité des prestations, parce que mm. la qualité des prestations, c'est très important. Là, c'est bien, ils sont revenus à des meilleurs sentiments, mais je dis jusque-là, ça reste encore, il faut que nous, les consommateurs, nous soyons encore plus vigilants. Mm-hmm. Merci beaucoup. Il faut rappeler justement que selon la présidente du Conseil national de régulation des communications et de la poste, toute augmentation constatée chez un opérateur est de son propre fait car se fondant sur l'article 35 de la loi du 12 juillet 2018 lui accordant cette euh, liberté de fixation des tarifs euh, de détail euh, selon donc la présidente du CNRCEP qui précise qu'en ce qui concerne la décision numéro 015 ARCEP CNRCEP DG 22 du 31 août 2022 la fixation des tarifs euh, planchers prévus vise à éviter la pratique euh, du dumping euh, observé chez certains opérateurs et éloigner le risque de banqueroute qui guette le secteur. Quelle analyse faites-vous de ces différentes mesures prévues, Gary Amadou, dans le cadre du respect de la réglementation dans le domaine au Niger Oui, je pense que, <clears throat> fort heureusement, euh, la population, les consommateurs se sont mobilisés parce qu'on a vu vraiment une mobilisation exceptionnelle sur les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, l'Internet, mm. euh, ce n'est pas seulement les appels, euh, mais la connexion Internet, elle permet l'économie nigérienne pratiquement aujourd'hui est basée sur les, sur, les connexions Internet. Mm. Pour télécharger un fichier, pour télécharger des billets d'avion pour des voyages, pour exécuter, pour envoyer même des, des, des, des, copies de contrats, pour tout pour les recherches, même pour les étudiants aujourd'hui, tout se fait par l'internet. Même le PCR maintenant, on l'envoie même. Euh, mais tout est, tout est, oui, le résultat du PCR, tout est, tout est maintenant par internet. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, on vous envoie, mm-hmm. et puis vous allez à l'aéroport, vous, vous montrez votre mm-hmm. résultat négatif, et puis, c'est-à-dire, l'internet est en train de régir toute notre vie quand les gens ont commencé à faire du bruit, on a dit, oh, ah, oui, oui, on va boycotter pendant une semaine. J'ai dit, vous pouvez boycotter Internet pendant une semaine mm-hmm. Il dit, mais est-ce que vous savez ce qu'on attend Une semaine de boycott d'Internet. J'ai dit, mais l'Internet, c'est devenu de la drogue. Il dit, nous sommes accros aujourd'hui. Nous sommes accros à l'Internet. On peut à la rigueur faire une journée sans Internet, mais une semaine, ce n'est pas possible. Mais il y a eu quand même un climat qui a montré à l'exécutif que les gens étaient fâchés. Il y avait l'USN, par exemple, le comité directeur, qui avait appelé au boycott euh, pendant notamment la journée du 16 le lundi. L'importance de l'Internet se base sur, une, sur, un constat très simple. Vous savez, même dans un pays où, par exemple, la jeunesse fait face à un manque d'emploi, les seuls moments de distraction, c'est sur les smartphones. Est-ce que vous comprenez Les seuls moments de soulagement, c'est sur les smartphones. Alors, imaginez des jeunes qui, les moments où ils peuvent un peu se distraire, on, leur, prend ça. Donc, il y a une portée politique de l'Internet au Niger. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un. J'ai dit, l'Internet, là, il y a une portée politique que le pouvoir public ne doit pas oublier. Et donc, s'il y a une portée politique, le pouvoir politique doit tout faire pour que l'Internet soit accessible et surtout ne pas laisser les opérateurs faire ce qu'ils veulent. Quand les opérateurs, c'est vrai, ils ont fait le communiqué, ils ont annoncé que voilà, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont revoir les tarifs. Mmh. Moi, quand j'ai vu le communiqué, je me suis dit, bon, ils vont revoir les tarifs certainement que bon, euh, euh, ça sera un peu. Ils avaient dit très bientôt. Voilà. Nous, on était contents parce que. Le lendemain, il y en a qui l'avaient fait, d'autres il a fallu. On ne fait pas un communiqué pour annoncer une mauvaise nouvelle. Mhm. Le principe de la vie là, Michel, il est très simple. Mhm. On ne fait pas un communiqué pour annoncer une mauvaise nouvelle. Quand tu dis dans une semaine, même les nouvelles entreprises qui, arrivent dans un pays, qu'est-ce qu'elles font Elles font des panneaux publicitaires. Dans une semaine, une surprise à Niamey. Mhm. Les, nouvelles, les bonnes nouvelles, on les annonce en avance. Qu'est-ce qu'on qui s'est passé Ils ont fait des communiqués pour dire ah oui, dans quelques jours, il y aura un changement de tarif. Les gens étaient contents, ils ont dit ah ça c'est bien, peut-être que on va améliorer les mégas on va les augmenter, paf. Et puis on nous vient. Non seulement, c'est pas qu'ils ont, mais c'était cruel les, tarifs qu'ils ont annoncés. C'est impossible. Mmh. C'était impossible de souscrire une C'est pas possible. Ça m'a amené à m'interroger. J'ai dit mais attendez, oui oui, non c'était trop, c'était dégueulasse. C'est-à-dire, on dirait que ils se sont concertés entre eux, les opérateurs de téléphonie. mobile. Ils ont une association. Hein. Vous ne savez pas ça Ils font des réunions les comme... opérateurs oui, euh, mais ils de téléphonie Mais ils se concertent. Mhm. Et euh, nous, ce qu'on a compris, on a comme eu l'impression qu'il y a un plan diabolique des opérateurs de téléphonie mobile qui se sont entendus pour, pour annoncer ces mesures-là, dans un but bien précis. Pour eux, dans leur calcul, ils ont fait ça sciemment, c'est que même on a dit est vrai. Ils ont fait ça sciemment parce qu'ils voulaient justement que les gens se soulèvent et que maintenant ils pensent que c'est un moyen pour mettre la pression sur l'ARCEP pour qu'elle revoie peut-être même beaucoup de choses pour eux. Mhm. Et qu'ils puissent. En fait, ils ont pensé que c'est eux qui seraient les premiers bénéficiaires de cette. Parce qu'on a constaté justement qu'ils avaient choisi tous la date euh, du 15. Ils se sont concertés. Mhm. Mais ils se sont concertés. Pourtant, on a l'impression qu'ils sont dans un monde euh, de rude concurrence. Non, euh, non, non, Ces opérateurs. Ah, non, non, non, non. non. Ah, mhm. c'est ça, ça leur. Michel. Mhm. ils s'entendent très bien. Ils se concertent, ils ont des réunions régulières. Et donc, ils sont concertés. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont décidé, ah non, on va pas dire que bon, si tu mets 1000 francs, c'est, tu vas avoir normalement 1 giga. On va les choquer. On va dire, si tu mets 1000 francs, tu auras 200 mégas. Ça va les frustrer. Ils vont dire, ah oui, oui c'est une bonne idée. Comme ça, ils vont se soulever et puis les gens vont avoir peur. Et puis l'ARCEP va nous appeler et puis on va négocier les trucs. L'ARCEP, quand elle a, quand compris, l'ARCEP les a appelés. Mm. En fait, elle, a mis les points sur les i. Mm. Mais les offres n'étaient pas identiques. On voit que quand on prend la même souscription, pour certains, ça va du double, pour d'autres jusqu'au triple. Oui, mais elle a, dit, c'était pas vraiment unanime. Non, c'est pas unanime, non. Ça les... pas être unanime. Les gens n'ont pas les, mêmes marchés. Mm. Non, les gens n'ont pas les mêmes marchés. Ils n'ont pas les mêmes nombres d'abonnés. C'est pas possible. <laughs> non, Michel, c'est impossible. Mm. Moi, je ne peux pas accepter de faire les mêmes tarifs que RTL, qui a plus de 3 millions ou combien de millions d'abonnés, alors que moi j'ai 500 000 ou... Ah non, c'est pas possible. Mm. Donc je fais aussi ma politique. C'est ce que la présidente du Conseil national de régulation a dit. Elle dit, c'est de leur a unilatéralement qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, même la, mesure que le gouvernement avait prise ne, méritait pas cette scandaleuse mm. hausse des prix de l'Internet. C'était tellement scandaleux. Et ils ont compris le danger. Parce que même les scolaires qui sont sortis là, qui ont commencé à casser les, les panneaux publicitaires là. Tout mais ça, dans le mot d'ordre, c'était juste un boycott en tout cas. c'était un boycott de cours. Mais vous savez, eh, deux, choses, se sont, deux, choses, se sont, rejointes. Mhm. Il y avait la boycott lycée et collège. Et puis voilà. Mais y avait un nouveau SIG contesté. C'est pas ça Mais mhm. un, problème est venu, greffer venu, se greffer à un autre. Mhm. Ces gens-là que vous avez dans la ville là, c'est qui manipulent les smartphones. ceux qui se connectent c'est eux qui font, qui mettent des mégas là pour faire des petites connexions. Ce mm. sont ces jeunes-là. Ils, ont été touchés, vous comprenez. Mm. Donc, c'est vrai, il y avait une section lycéenne collégienne qui boycottait, mais en même temps, ce problème est venu. Maintenant, heureusement que l'ARCEP a tapé du poing sur la table. Et je crois que la réunion qu'ils ont eue le matin, c'était une réunion sans truc. Hein. Elle leur a dit, ah non, c'est pas comme ça. Mm-hmm. C'est pas comme ça. Ce que vous avez fait, c'est ignoble. Mm. On ne peut pas accepter ça. Et les gens ont compris le danger parce que si on leur dit, ah, si vous ne revenez pas à meilleurs sentiments, voire résister même le contrat, vous allez partir. Et comme les gens savent qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils se reviennent à des meilleurs sentiments. Ça prouve quoi Ça prouve que eh, ces opérateurs de téléphonie mobile-là, le prochain combat, c'est l'amélioration, comme l'a dit Memouna. L'Internet est souvent de mauvaise qualité, les appels épouvantables, c'est n'est pas mhm. possible. Et donc, le prochain combat, c'est leur mettre la pression, faire en sorte que l'ARCEP encore plus continue à leur mettre la pression pour qu'il y ait plus de qualité. Mhm. C'est ça le prochain combat. Parce que, pour le moment, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se placer. Moi, j'étais en Tunisie. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer la Tunisie au Niger. J'étais parti pour un séminaire. Et dix minutes avant le séminaire, j'ai téléchargé cinq films. Cinq films. En dix minutes, cinq films. Ça, ça, ça part seulement. Parce que la connexion est excellente. Oui, au Niger, il y a des zones où quand vous partez, on sent que la connexion est, pas très une forte. de zone. C'est pas ça même le problème. L'internet là, mhm. là, l'économie aujourd'hui est basée sur l'internet. Si vous avez une meilleure connexion internet, ça va se rentrer sur l'économie nationale. Il faut que les gens le sachent. Mhm. Ça va se ressentir dans les affaires, ça va se ressentir dans tout. Michel, mhm. c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et les autres pays l'ont compris. Mais le Niger, apparemment, Laissez les opérateurs faire ce qu'ils veulent. Merci beaucoup, Gaga Modou. Ousmane Sidoukou, comment en est-on arrivé là Et aujourd'hui, quelles sont les vraies attentes euh, des consommateurs nigériens par rapport euh, justement à ces différentes euh, prestations que proposent ces opérateurs de téléphonie mobile au Niger Vous savez, Michel, cette décision unilatérale de ces compagnies de téléphonie-là, pour moi, elle était tombée comme un cheveu dans la soupe, mais ça a permis de mettre vraiment en évidence aussi bien ces compagnies de téléphonie, l'ARCEP et le gouvernement que chacun joue vraiment sa partition. Parce que je ne peux pas comprendre qu'à une des rencontres avec le président de la République, qu'il ait dit que vraiment euh, tout sera mis en œuvre pour que les, les trucs de communication soient revus et améliorés et que boum, même si elles l'ont fait à dessein qu'elles décident de ces compagnies-là de d'augmenter euh, leurs différentes tarifications. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, peut-être, c'est même pas peut-être, c'est un ballon d'essai qu'elles ont voulu. Mais mal leur en avait pris au regard vraiment de, de, de, de, de la mobilisation des uns et des autres. Donc, les prochaines étapes, c'est quoi C'est vraiment que l'ARCEP continue de véritablement jouer sa partition. À l'heure intimement, les collègues l'ont dit, aujourd'hui la prestation des de, services, vous pouvez appeler un, un, un, répondant une minute après vouloir retoucher la même pour vous dire qu'elle est hors de zone de couverture. Elle Ça veut dire que la, la piètre prestation de service là, maintenant vraiment, l'ARCEP doit y veiller pour que vraiment ces compagnies revoient leurs copies dans ce sens-là. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens que euh, des compagnies se retrouvent et décident unilatéralement de, fixer à leur guise, à leur convenance. Et quand on voit le pouvoir d'achat du Nigérien, c'est ahurissant. Moi, je pense que euh, les gens doivent savoir raison garder. L'ARCEP doit mener, vraiment, doit maintenir euh, le moins de pression sur ces compagnies pour qu'elles revoient leurs prestations. Aujourd'hui, que vous prenez chacun, je me rappelle, j'ai un ami, un étranger, il est venu et il me dit, bon, mais quelle compagnie J'ai dit, mon frère, eh, choisis la compagnie qui te... Parce qu'aujourd'hui, je peux te dire, eh, cette compagnie-là, le lendemain, c'est du pareil au neuf, c'est 6-9. Quand tu tournes, tu as l'autre. Donc, vraiment, en termes de prestations, elle laisse vraiment à désirer. Mais que peut le gouvernement pour améliorer tout ça Parce que quand ça ne va pas, c'est le gouvernement qu'on pointe ce n'est C'est le gouvernement, d'accord, mais mhm. vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a euh, une instance de, régulation qui a joué sa partie en convoquant aussi mhm. le lendemain. Mais le chef de l'État lui-même en personne a montré qu'il s'intéresse. Il s'intéresse donc euh, vraiment à ces Internet. Il a été euh, à l'université Abdou Moumouni pour le dire aux étudiants qu'il est conscient que la jeunesse peut faire beaucoup de, choses à travers Internet. Aujourd'hui, comment faire pour que l'État arrive à booster le développement socio-économique euh, de l'ensemble du pays à travers déployer les moyens et taper du poing sur la table en intimant à ses mhm. compagnies de téléphone. Tout à l'heure, Gary l'a si bien dit, il était en déplacement. Imaginez le temps record pendant lequel il a téléchargé autant de films. Pourquoi pas chez nous non seulement c'est de donner les, déployer les moyens, maintenant mettre ces compagnies de téléphonie devant leurs responsabilités. Déjà, avec euh, les anciennes tarifications, la prestation, elle est ce qu'elle est, et vous décidez unilatéralement d'augmenter de, les prix. Moi, je pense que l'ARCEP ne doit pas baisser la garde, tout comme les consommateurs que nous sommes. Mhm. vous l'avez vu, les la mobilisation n'en déplaise aux, aux, prétendues organisations de défense des droits de consommateurs. Mais vous avez ce dont les consommateurs... Les, les, défenseurs étaient également engagés dans cette lutte. Tout à euh, fait, mais, mais, alors, comme dirait l'autre, mais alors. Donc vraiment, moi je pense que c'est de mm. maintenir cette pression mm. sur ces compagnies de téléphonie quant à la qualité de leur, euh, de, leur prestation. Mhm. Vraiment, la copie doit être revue dans ce sens. Et nous passons donc au deuxième euh, sujet du forum de la presse euh, de ce soir, l'harmonisation du régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État, la revalorisation du SMIG, la suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation, et de la santé à travers un plan de recrutement progressif et sans concours, la réduction des prix des produits de première nécessité, d'arrêt alimentaire, carburant, eau, électricité, transport, etc. sont les principales revendications de l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN qui a déposé le lundi 16 janvier dernier un préavis de grève de 48 heures, un arrêt de travail euh, qu'elle projette d'observer faute d'accord d'accord avec le gouvernement sur toute l'étendue du territoire national. Maïmoune Gado, que faut-il euh, comprendre euh, de ce préavis de grève euh, déposé par l'ITN Ce qu'il faut comprendre par rapport à la grève, le préavis de grève déposé par l'intersyndicale des travailleurs du Niger, mm. à savoir l'ITN, qui regroupe quatre centrales syndicales, c'est que la première sortie, parce qu'il y avait eu une sortie, euh, une déclaration. C'était le 6 janvier. C'était le 6 janvier. Et au cours de cette déclaration, un ultimatum de 15 jours a été donné, en tout cas au gouvernement, mhm. pour pouvoir euh, discuter et revenir euh, sur les plateformes revendicatives mhm. pour trouver une solution. Je pense que c'est le préavis vient parce que tout simplement 15 jours, les 15 jours se sont épuisés mhm. Et finalement, le gouvernement n'a pas fait appel mhm. à, à l'intersyndicale. Euh, l'ultimatum avait, pris fin le 15. Donc maintenant, il faut revoir comment est-ce qu'il faut encore euh, annoncer ou ne pas pour ne pas s'arrêter mhm. à uniquement à l'ultimatum de 15 jours. Mhm. Et ils ont proposé d'aller en grève le 25 et le 26. Euh, déjà, nous savons que aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous sommes en train de parler, l'intersyndical euh, l'intersyndicale euh, a été donc euh, en train d'être convié pour, rencontrer le, président de la, République. C'est le ministre en charge de l'emploi qui leur avait donc adressé une lettre d'invitation. C'est vrai que nous n'avons pas les conclusions. on n'a pas les conclusions. On n'a pas les conclusions. Au moment où nous sommes en train d'enregistrer ce forum, tout ce mhm. que nous souhaitons, c'est mhm. que au, cours de, cette rencontre, mhm. qu'il y ait que des rencontres positive, ça veut dire que qu'on puisse au moins dégager certains points, mhm. avoir un consensus sur les, quatre points euh, déjà énumérés par l'intersyndical. Mhm. On sait qu'on ne peut pas avoir gain de cause rapidement, mhm. mais ce qui peut être faisable, ce qui peut être fait euh, normalement euh, dans les plus brefs délais mmh. puissent être faits dans les plus brefs délais. Mmh. Mais sinon, c'est c'est vraiment pas de gaieté de cœur aujourd'hui si les travailleurs s'engagent à aller en grève. Euh, ça, en tout cas, ça facilite pas et non pour l'État parce que euh, aujourd'hui, quand on regarde, hein, il y a des sociétés qui peuvent aujourd'hui même avec euh, une demi-journée euh, de grève, en tout cas l'État va ressentir les coûts. Et je me dis aussi que vraiment, s'il y a des choses qui peuvent être réglées sans tambour ni trompette, qu'on le fasse parce que c'est un droit. C'est un droit aujourd'hui pour ces travailleurs de réclamer certaines choses. Euh, la vie chère, ils l'ont mentionné, tout le monde vit cette vie chère aujourd'hui. Même si tu n'es pas travailleur, même si tu ne fais pas partie de l'intersyndicale des travailleurs aujourd'hui, mhm. en tant que travailleur d'une autre centrale syndicale, ça veut dire que ça te concerne. Le SMIC aujourd'hui, ça concerne en tout cas tout le monde. Les travailleurs, ça les concerne. Et surtout les auxiliaires mhm. de l'État. Je pense que vraiment, euh, c'est bien réfléchi. Et le président de la République a écouté, en tout cas, euh, euh, les points Mhm. sur lesquels ils veulent euh, vraiment commettre l'accent. Mhm. Et c'est pas pour rien qu'il les a appelés. C'est pour tout simplement trouver une solution afin de euh, stopper la grève de mhm. euh, deux jours. Parce que grève de deux jours dans un pays comme le Niger, mais mon Dieu, quatre centrales syndicales, les travailleurs sont, mhm. il faut regarder, hein, la mobilisation autour de ces quatre centrales syndicales. Mhm. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Et il faut rappeler justement que l'ITN, euh, c'est cette euh, inter syndicale des travailleurs du Niger qui regroupe euh, quatre centrales syndicales. Il faut dire que ces quatre centrales syndicales font toutes partie des cinq premières les plus représentatives euh, lors des élections professionnelles de 2019. Il s'agit de l'USPTN, il s'agit de la CGSL, il s'agit de la CNT, mais également de l'USTN. Gary Amadou, l'ITN avait expliqué que de 2012 à 2018, il y a eu jusqu'à quatre accords et que jusqu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de revendications qui ne sont pas euh, prises en compte et que euh, la partie gouvernementale n'arrive pas à honorer ses engagements. Aujourd'hui, avec les nouvelles autorités du programme de la Renaissance euh, Acte 3, que veut réellement l'ITN euh, par rapport à toutes ces revendications ce que, Oui, mais <laughs> les travailleurs sont toujours là, les gouvernements passent, les travailleurs restent. Mhm. Donc, euh, ce que veut l'ITN, c'est enfin, défendre les intérêts matériels et moraux de leurs travailleurs, mhm. en tout cas de leurs militants. C'est comme ça, c'est normal. Moi, je trouve que déjà, en annonçant la grève pour le 25 et le 26, l'ITN a ouvert la voie à des possibles euh, négociations. Et c'est mhm. ce qui se passe, comme vous l'a dit, le président les a il est en de le euh, recevoir, n'est-ce pas, au, moment où on parle. Mhm. Et ils sont en train de, discuter. Donc déjà ça, il faut saluer cela. Mhm. Le fait qu'ils ont donné le temps. C'est-à-dire que c'est pour dire que c'est pas de la méchanceté, c'est pas qu'ils veulent bloquer le pays. Donc en, en mettant 25-26, euh, ils, donnent le temps pour qu'on puisse vraiment régler les problèmes. En tout cas, au moins s'entendre sur certaines choses. Donc et rappelez-vous ici sur ce plateau, euh, euh, on, était sur un débat et j'avais dit que, écoutez, euh, la vie, la vie est chère, tout est complètement cher. J'ai dit maintenant, il appartient aux syndicats de se mobiliser pour faire en sorte qu'il y ait une augmentation de salaire. C'est normal. C'est normal que les syndicats puissent dire de revoir la grille salariale. Ça veut dire quoi qu'on puisse augmenter le SMIC, qu'on puisse même augmenter, s'il le faut, les salaires des fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires souffrent aujourd'hui. Ils souffrent. Il ne faut pas se, se, la face. Aujourd'hui, on a l'opportunité. Le Niger, on dit que, oui, euh, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale disent qu'en 2023, le Niger sera le, troisième pays africain à avoir le taux de croissance exceptionnel. On parle de 8,3, je crois, pour ça. Troisième pays en Afrique à avoir un taux de croissance prévision, taux de croissance exceptionnel. Donc, quand il y a une embellie économique, il faut que tout le monde en profite. Si les produits de, première nécessité sont chers, faisons en sorte que euh, euh, les fonctionnaires qu'on puisse alléger leur souffrance. Parce que les produits ont augmenté, mais le salaire est le même. Au Niger, ça fait combien d'années le salaire n'a pas, été augmenté Donc, je trouve que c'est normal que les syndicats se mobilisent et, qu'ils cherchent à faire en sorte que l'État puisse revoir en tout cas les choses, discuter avec eux et peut-être encore cette fois-ci respecter les engagements pris et faire en sorte qu'on puisse en tout cas retrouver cette académie. Parce que il faut le dire, mm. ça fait combien d'années que vous n'avez pas vu la, grève des grèves de syndicats Ça fait combien d'années en tout cas, avec les, ah, ça fait autorités, on a l'impression que l'ITN a rappelé en tout cas que jusque-là. Ça veut dire quoi Ils n'ont rien fait, mais cette fois-ci, les syndicats ils ont fait preuve, de hausser le temps. Les syndicats ont fait mm. preuve de bonne volonté, pour moi. En tout cas, l'intersyndical, c'est vrai, vous avez rappelé, l'intersyndical au début c'était 7 centrales, 8 mm. je crois. Ça s'est effrité, aujourd'hui ils 4. Mais, mais, ce qui est le plus important, c'est que moi ce n'est pas le, côté, le côté non sur le côté du droit, le droit des travailleurs, mhm. n'est-ce pas Avoir leurs conditions matérielles améliorées. Mhm. C'est important. Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire que eh, eh, eh, l'État doit venir dire que, bon, écoutez, euh, déjà, le taux de croissance est là, un taux de croissance qui sera renforcé par la construction de ce pipeline-là qui va permettre au Niger d'exporter son pétrole. Mhm. Donc, l'économie va être forte. Et donc, on a toujours dit ici, il faut une redistribution des richesses. Quand un État devient de plus en plus riche, il faut que ces citoyens deviennent de plus en plus riches, le produit intérieur plus, plus, mhm. important. Et donc, il faut que les salaires des fonctionnaires puissent être beaucoup plus importants. Aujourd'hui, au Niger, avec 150 000 francs, qu'est-ce que tu peux faire mhm. Qu'est-ce que tu peux faire 200 000 francs, si tu payes le loyer, je parle des fonctionnaires. Si tu payes le loyer, tu payes euh, les courses des enfants, le, les frais de récréation, l'électricité, qu'est-ce qui reste mhm. Mais moi, je veux vous dire, Michel, moi j'ai eu une On, on m'a dit, il y, a des fonctionnaires qui prennent du crédit chez quelqu'un. La fin du mois, il vient au guichet de la banque. Il attend. as dit, tu prends tout ton salaire, tu lui donnes. Est-ce que tu comprends Tu donnes tout ton salaire, tu lui donnes. Et maintenant, tu prends encore crédit le sac de riz. Si c'est à 10 000 là, il va te donner le sac de riz à 15 000. C'est pour vous dire à quel point les fonctionnaires sont en train de souffrir. Je vous le jure. Les gens s'endettent. Ça, c'est le quotidien de beaucoup de chefs. Oui, mais, mais, mais, chacun défend. Avant la fin du mois. Écoute, euh, euh, c'est mhm. le quotidien de tout le monde, mais chacun prêche pour, sa chapelle. Hein je suis désolé, mais écoutez, les, fonctionnaires ont pris leurs responsabilités, mhm. mais que chacun fasse ce qu'il doit faire. Mhm. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, ils ont parlé du SMIG. Ça veut dire que ça intéresse aussi tous les autres travailleurs, même ceux du secteur privé. Ousmane si du coup, aujourd'hui, que peut faire euh, le gouvernement face à tout cela Est-ce qu'on peut estimer qu'il a les moyens techniques euh, de répondre à ces doléances euh, à tous égards, y compris la question de la diminution euh, des prix des produits de première nécessité. Dans un premier temps, je me réjouis que l'ITN ait pu sortir de sa profonde léthargie dans laquelle elle s'est assez morfondue. Mhm. Et il faut reconnaître que ces revendications sont justes et légitimes. Aujourd'hui, quand vous prenez les différents points de leur plateforme revendicative, mhm. je pense que euh, vraiment c'est à la portée c'est à la portée. vraiment, l'État n'a pas demandé la mer à boire euh, à, l'autorité, ou au, gouvernement. Donc vraiment, euh, comme euh, Gary l'a dit, les dates maintenues là, moi je pense que c'était pour permettre que le cadre soit créé de dialogue et que chacun de part et d'autre maintenant fasse des concessions. C'est vrai, c'est vrai que leurs revendications sont justes et légitimes, mais il faut tenir aussi compte de plusieurs paramètres que mm. nous, et vous ne maîtrisons pas. Mhm. Donc, occasion pour les deux parties que chacune fasse des concessions mhm. pour arriver vraiment à un dénouement. Il est clair qu'aujourd'hui, euh, le pouvoir d'achat euh, des, Nigériens mhm. ne continue qu'à s'amenuiser et cette cherté, elle est durablement ressentie, mm. eh, vraiment à tous les nouveaux, que ce soit dans le panier de la ménagère, que ce soit dans, dans le sac du monsieur. Moi, je pense que euh, vraiment, eh, c'est l'occasion pour que de part et d'autre, des avancées significatives puissent être eh, faites et matérialisées. Aujourd'hui, il ne sert à rien, parce que c'est connu antérieurement, il ne sert à rien de s'entendre autour d'une... Vous estimez que le gouvernement peut faire du concret, Il peut faire du concret, mais vraiment que des engagements, des promesses soit tenu et matérialisé. Aujourd'hui, ça ne sert à rien que de part et d'autre, surtout du côté du gouvernement, qu'ils prennent des engagements, qu'ils tiennent des promesses qui, in fine, ne seront pas tenues. C'est revenir à la case de départ. On n'en a pas besoin. La calmie, vraiment, elle a été assez longue pour lui permettre vraiment euh, de, de manœuvrer pour que nous n'en arrivions pas là. Aujourd'hui, euh, en ce moment, ils sont même en, négociation, ils sont en train d'être reçus. Euh, prions que vraiment, à l'issue, que quelque chose de concret puisse sortir et mhm. qu'il y ait un suivi parce que la plupart du temps, ce n'est pas créer le cadre, ce n'est pas les mhm. engagements pris, mhm. mais vraiment c'est le, suivi et le respect de ces engagements pris de part et d'autre. Vraiment, mhm. moi je pense que euh, à, l'issue, si vraiment tous ces engagements pris sont tenus et respectés, moi je pense qu'on peut vraiment continuer à observer cette accalmie, observer préalablement et ce qui ferait la des, des, deux parties. Merci beaucoup et nous terminons le forum de la presse euh, de ce soir avec euh, du sport, la septième édition du championnat d'Afrique des Nations Chan Algérie 2023 a débuté le 13 janvier dernier au stade Nelson Mandela de Barak à Alger dans la capitale algérienne. Les rencontres de cette septième édition du Chan Algérie 2023 qui réunit 17 pays qualifiés dont le Niger se poursuivent euh, activement. Rappelons que les poulains de Harun euh, Doula, le MENA Aprim, euh, jouera ses matchs au stade olympique Miloud Hadefi, respectivement contre les Diables Rouges du Congo. Ce sera donc le vendredi soir et le mardi 24 janvier, les Lions indomptables du Cameroun euh, seront face à notre équipe euh, nationale à cette euh, compétition. Maïmoun Diado, quels sont les enjeux de la participation du Niger à ce Chan édition 2023 tout ce que je peux dire, hein, parce que mhm. moi je suis, suis vraiment pas au foot. Mhm. Je peux juste les accompagner par ma bénédiction. <laughs> Qu'ils réussissent. Mhm. Parce que c'est des ambassadeurs. Euh, voilà. Et quand on va à une compétition, c'est pour, représenter, un, pays. et mhm. c'est pour gagner aussi. Mhm, Donc, euh, oui. Donc, euh, vraiment, moi, je les encourage. Hein. J'encourage mhm. face à l'équipe, les Diables Rouges du Congo, c'est ça. Et espérons que l'équipe MENA sera à la hauteur, en tout cas des attentes euh, du mhm. peuple nigérien. Merci beaucoup. Et, également, pourquoi pas <laughs> nous ramener quelque chose de, de fiable, quoi. Mhm. Oui, c'est vrai. Gary, il faut rappeler que le Chan, c'est depuis 2009. Il y, a eu il y a eu sept éditions et il y a eu quatre participations de l'équipe euh, du Niger. C'est sept salutaire, mais ce que on a compris lors de la conférence de presse euh, avant le départ pour euh, les préparations d'abord en Tunisie, mais également en terre algérienne, que très souvent cette équipe à prime ne va pas très loin, c'est-à-dire la phase quart de finale ou même, pourquoi pas, espérer avoir cette coupe. Est-ce qu'on peut espérer cela un jour hmm. Mais s'il vont en quart de finale, c'est très bien. Mais c'est très bien, Michel. Qu'est-ce que vous voulez euh, Le pays qui a le, excusez-moi, de la sous-région, le football le plus nul, hmm. je ne dis pas ça par méchanceté, c'est un constat. Le Niger a le, Niger l'équipe de la sous-région là, la plus nulle. Le Mali est devant nous, le Bénin, le Togo, hmm. tous, ils ont ils, sont devant nous. Nous sommes les plus nuls alors, quand vous avez une équipe qui arrive dans un championnat d'Afrique des Nations, qui arrive en quart de finale, mais c'est très bien. Qu'est-ce que vous voulez Mais on a dit qu'on va à une compétition, c'est pour gagner ce qu'on peut espérer avoir cette coupe. Euh, non, non, non, non, non, attendez. Puisque... Sur ça, là, mhm. euh, on ne va même pas te Le, non, le Milan n'aura pas la coupe. non, non, le Milan n'aura pas la coupe. Non, attendez. Non, tu n'as pas boule de cristal. Non, j'ai pas, le boule de cristal, c'est vrai. Enfin, le football, il y a des surprises, ah, mais, enfin, On voit des, Michel. des hein. équipes euh, qui oh, arrivent à faiblir, mais qui arrivent à réaliser des prouesses, quand même. Oui, mais vous savez, euh, euh, les surprises, il faut déjà avoir aussi parfois un petit début de quelque chose. Mm. C'est ce petit début-là qu'on n'a pas vu mm. pour le MENA. Le MENA n'a rien prouvé sur le plan sous-régional et sur le plan international. Bien sûr, je me rappelle à l'époque de Barré, la finale de la Coupe UFOA que l'ASFAN a remporté. Parce que j'étais au stade. Je crois que c'était contre la Sierra Leone, l'équipe de Sierra Leone, 4 à 1, je crois. Parce qu'ils nous avaient battu 3-0, on les a battus 4 à 1, je, ne sais pas. Je, crois que c'est un truc comme ça. Donc, ça, c'était une belle époque. Mais aujourd'hui, le football nigérien, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Pendant que les équipes sont en train de. Regardez l'équipe du Mali on a pratiquement les mêmes réalités sociales. Mais pourquoi le Mali a des bonnes équipes, a des joueurs internationaux, le Sénégal, le Burkina Faso, des joueurs qui, sont, qui ont des renommées, les Pitroipal et tout, des joueurs qui ont des renommées internationales. Bon, Pitroipal raccroché, c'est vrai. Mais il mais, y, a y a un vivier. Au Niger, ça ne marche pas. Pourquoi Bertrand Traoré. Qu'est-ce qu'il qu en y a là-bas Qu'est-ce qui ne marche pas Et voilà le problème. Donc s'ils vont au Chan, mais s'ils vont en quart de finale, Alhamdulillah, c'est bien. Mais la coupe là, bon, mais il ne faut pas trop rêver. Merci beaucoup, Gagé. Ousmane Sidoukou, il faut rappeler que la particularité du Shan, c'est que c'est les joueurs locaux. Hein. Et si on a pu participer jusqu'à quatre Shan, euh, c'est parce que il y a eu une régularité dans l'organisation des compétitions au niveau national. Il s'agit de la Super League, mais également la Ligue nationale. Euh, Ousmane Sidoukou, aujourd'hui, quelles sont les chances pour cette euh, équipe nationale MENA version Shan d'aller très loin dans cette compétition Merci Michel. <laughs> c'est vrai, je ne veux pas abonder dans la même logique que Garé, bien que nous n'ayons pas cette boule de cristal devant nous, mais <laughs> quand même, honnêtement, pas là, euh, soyons, euh, soyons réalistes, soyons réalistes. et vraiment, je pense qu'on peut, ça, il aurait, ça, ça nous réjouirait qu'on dise que le MENA a rapporté le trophée. Mais mhm. au regard euh, du processus et de ce que des du vécu mhm. de notre football, là, euh, moi, je pense que euh, nous n'allons pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais on ne peut que les accompagner mhm. dans nos prières et qu'ils sachent que, étant nos ambassadeurs, tout le peuple nigérien fait chorus derrière eux. Mais il faut pas participer aussi pour participer. Donc moi, je pense que avant même la tenue de, de pareilles rencontres, hein, il faut que vraiment les pendules soient mises à l'heure. Il faut revoir beaucoup de choses. Il y a tellement de choses à revoir euh, qui n'ont pas été revues et ce qui fait que nous sommes à la traîne garée là, si bien dit, des pays qui vraiment, à qui vraiment nous ne les envions pas il y a des décennies, mais je dis qu'ils viennent nous euh, nous dévancer et ça, fait mal. Donc il faut que vraiment la copie soit revue, que ça soit au niveau de ces de ces de, A de, même des des, Vraiment aujourd'hui, il est grand temps que notre football là euh, vraiment sorte des sentiers battus. On ne peut pas comprendre que des pays dont nous partageons pratiquement les mêmes réalités, et même si comparaison n'est pas raison, qu'on dise que ces pays-là arrivent à afficher une certaine régularité à travers les compétitions continentales et même internationales, et que nous, nous peignons vraiment à, vraiment à, même les phases éliminatoires. Moi, je pense que, euh, bas la terre, il faut faire une radioscopie sans complaisance de notre football, en incluant tous les acteurs. Euh, moi, je pense que, pourquoi pas cette, euh, semaine à la, à, de, qui, arrivent à atteindre certains niveaux. Et moi, je pense que pourquoi ne même pas les substituer, Puisqu'ils euh, puisque arrivent quand même avec la modicité des moyens à faire du mieux qu'ils peuvent, mhm. contrairement à, leur, à leurs aînés qui mhm qui ne, pratique pas rien. C'est vraiment, moi, je pense que c'est l'occasion. Vraiment, il faut qu'on fasse une radioscopie sans complaisance de notre mm. football là. Il faut qu'il sorte des sentiers battus et que vraiment euh, nous puissions aussi nous, nous, nous, bomber le torse, qu'on dise que bon, pourquoi pas, euh, qu'on qu n'ait pas notre, euh, notre Bertrand Traoré, qu'on n'ait mm. pas notre. autant de stars à l'image des, des, pays, des, des, pays voisins. Moi, je pense qu'il est grand temps. Le Niger en a connu, mm. mais avec le vivier que nous avons en ce moment. Moi, je pense que la détection des jeunes il faut que vraiment qu'on revoie les mécanismes de détection et on arrive à conserver euh, vraiment une équipe euh, qui puisse vraiment euh, être à à tous les niveaux et qui, puisse mhm. puissent véritablement et dignement représenter notre pays. Mhm. En attendant, on, rêve certes grand, il est, il, est, il, est, au niveau de, du dernier catégorie, c'est-à-dire le groupe E, avec le Congo et le Cameroun. C'est un groupe de trois. Est-ce qu'on peut espérer être au sommet pour pouvoir être à la phase de quart Prions d'abord, prions vraiment, c'est-à-dire mhm. que nous arrivons à sortir de notre poule. C'est pour ça que je dis, on, rêve grand, mais sachant raison garder. Et donc, euh, nous n'avons certes pas cette boule, mais faut sortir de cette poule pour aller à la phase, des, quarts de, finale, À partir du 27 euh, Nous allons les accompagner mhm. à travers nos prières et qu'ils sachent que tout le peuple nigérien est derrière et compte sur eux. Mhm. C'est pas pour eux qu'on dit qu'il est possible n'est pas nigérien. Voilà, donc il faut rester optimiste. Euh, oui, oui, on va aller rapidement. rapidement je ne sais pas mhm. si c'est Harun Douli qui est encore l'entraîneur de l'équipe. C'est Harun Douli, Donc on a la chance d'avoir un entraîneur qui a quand même sur le plan de résultats qui, a, qui a une régularité exceptionnelle. Oui. C'est-à-dire que les entraîneurs expatriés qu'on fait venir, mhm. ils ne faut pratiquement rien du, tout. Mhm. Parce que le Mena senior, c'est zéro pointé. Mais Haroun Doula, quand même, est régulier avec son équipe à prime. Et donc, moi, pour moi, ce championnat d'Afrique des Nations, euh, je sais qu'il va faire de belles choses. Je ne dis pas qu'il va remporter la Coupe. Je suis même convaincu qu'il ne remportera pas la Coupe. Mais bon, euh, euh, je suis sûr que ça doit servir de tremplin pour que Haroun Doula puisse aller de l'équipe à prime mhm. pour venir entraîner le MENA. Ce monsieur-là, on n'est pas en train de l'exploiter à sa juste valeur. On fait venir des, entraîneurs chèrement payés qui vivent à l'hôtel sous le frais les frais du contribuable alors que lui c'est un fonctionnaire de l'État. On lui donne que le salaire de fonctionnaire parfois. Mmh. Et peut-être quelques primes. Ça, c'est une anomalie, c'est une injustice qu'il faut corriger. Si vous donnez 5 millions à un expatrié que vous faites, venir, soyez capable de donner 3 millions à dollars par mois pour entraîner le MENA. Mieux garder ça, vous couper la parole. Moi, je pense que euh, ce à quoi nous avons assisté et nous continuons d'assister, mhm. c'est vraiment l'ingérence, l'ingérence de l'instance dirigeante du football dans le choix des entraîneurs non seulement laisser donner une image de manœuvre. expliqué que le choix, la sélection a été objective. Non, c'est-à-dire, on peut, on peut lui concéder ça. Maintenant que qu'on s'immixe, il peut avoir fait ses choix. C'est lui qui avec mm. les, joueurs, il sait il sait les potentialités en chacun des joueurs. Mm-hmm. Donc vraiment, quand il fait son classement, ces choix-là, opérés là, il faudrait pas que les gens s'ingèrent. Il faut pas qu'on s'ingère. Il est un fin connaisseur du football, donc ah, il faut qu'on respecte ses choix mm-hmm. tactiques. Occasion vraiment pour faire encore ce plaidoyer-là. Ce il a fait vraiment ses preuves. Pourquoi ne pas lui donner les, les, coups de France, les matchs de manœuvre pour prendre vraiment euh, en charge notre équipe nationale mhm. Et on va voir ce que ça va donner, puisque vraiment, c'est un monsieur qui aime peu connaître. Merci beaucoup. On va On va juste dire bonne chance donc euh, au ménage Ce que je vais dire, c'est que mhm. les histoires de le petit frère de ma copine, euh, voilà, il faut le Il mettre, faut mettre fin à tout ça. On a compris, on a compris les propos de Ousmane. <laughs> si du coup, on a tout compris. Donc, et c'est ici que se referme le forum de la presse euh, du studio Kalangu de ce soir. Merci de nous avoir euh, suivis. Nous disons merci à nos invités. Maïmoune Gado, journaliste euh, indépendante, Gaga Modou, journaliste au journaux La Nation et Mouria et Ousmane Sidiko, journaliste indépendant également à la modération du forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Deji, l'équipe technique euh, qui m'a aidé à vous présenter ce forum de la presse est euh, composée de Amina Hassan et Seni Saka. Agréable soirée à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.